bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'émission Les Niger sur Au micro, je suis Habiba Ahmed et avec moi Mariam Adé pour la présentation. Bonjour Mariam, comment tu vas Je vais bien Habiba. Alors, euh, nous avons quoi au menu ce matin Comme d'habitude Mariam, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec un flash d'informations pour commencer. Dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons santé comme chaque mardi. Pour l'écho des régions, nous irons à Difa. Ce n'est pas fini dans cette émission. Dans cette émission, il y aura une chronique loti pour sensibiliser les jeunes hommes et femmes. La culture linguistique qui sera présentée à Langhausa par Asuma China et une sport. Comme invité ce matin, nous recevons Abdel Nasser Omar, plus connu sous le nom de Limanja. C'est un artiste rappeur. Il va nous parler de son parcours dans un instant. Fidèles auditeurs, les belles musique nigériennes sont aussi au rendez-vous dans cette émission Le Niger sur Kalangou. Restez branchés sur les ondes de nos médias partenaires. Nous vous souhaitons bonne écoute. Tout de suite, les flashs d'informations avec Nefissa Adamoussirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Mariam. Bonjour Habiba. Bonjour Nefissa. Quelles sont les nouvelles ce matin les épreuves écrites de l'examen du certificat de qualification professionnelle ont débuté hier lundi dans tout le pays. Près de 9500 candidats repartis dans 232 centres dans tout le Niger vont aborder 12 filières dont entre autres le maraîchage, la couture, la cuisine, la mécanique, etc. Cet examen professionnel durera trois jours. Une délégation du Fonds monétaire international conduite par Antonio David, chef de mission pour le Niger du département Afrique du FMI, s'est entretenue hier avec le Premier ministre Ali Mohamed Leminzen sur le processus du lancement de la mission de revue du programme appuyé par le FMI au Niger. Il s'agit notamment de la facilité élargie des crédits qui vise à renforcer le cadre macroéconomique ainsi que la facilité des résiliences durables. Enfin, le Premier ministre, ministre des Finances Ali Mohamed Laminzen a reçu hier lundi les rapports des études sur les incidences des sanctions de la CDAO et de l'UMOA sur le secteur privé du Niger ainsi que les mesures d'atténuation liées au retrait du Niger de la CDAO à court, moyen et long terme. Les résultats des études réalisées révèlent entre autres que les mesures restrictives adoptées ont eu des effets dévastateurs sur l'économie nationale, notamment sur les petites et moyennes entreprises. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafisa pour toutes ces informations. Bonne suite. Passe une excellente journée. Je pareil. Chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de l'émission, nous sommes en compagnie de Nasser Omar, plus connu sous le nom de Limanja. Bonjour, Bonjour Nasser. Oui, bonjour, comment vous allez Ça va bien. Merci d'être avec nous ce matin. Oui, ça fait plaisir. Ok, avant de commencer nos échanges, nous allons écouter votre titre utilisé pour marquer votre présence. Quand je revois l'histoire, j'ai envie de capituler. Chérie, donne-moi une raison de ne pas me retirer. J'ai appris trop des choses qui m'ont traumatisé. J'ai mon cœur qui pleure au m'a Je vais tout bloquer, je veux me retirer. J'ai perdu assez de blessés, soir tout va changer. J'étais tout donné, je n'ai jamais calculé. Et ce soir, je vais t'écouter tout m'expliquer. Oh ma baby girl, J'y croyais en toi car tu faisais ma joie. J'étais tracé toutes les voies partout où que tu sois. J'étais donné mon cœur, j'étais suivi même dans le noir. Je n'aurais jamais dû, tu m'as manipulé. elle m'a utilisé. Depuis toutes ces années, aujourd'hui je suis fatigué. Baby Nagaji. Tu étais mon matelas sur lequel je m'étalais, je me croyais déjà épaté. Baby girl promis, on ira à Brazzaville. Et voilà que tu m'as menti, bah des guerres, on allait faire de la rumba love là-bas. Et danser sur du papa wamba. J'ai oyo J'y croyais en toi car tu faisais ma joie. J'étais tracé toutes les voies partout où que tu sois. Je t'ai donné mon cœur, J'étais t'ai suivi même dans le noir. Je n'aurais jamais dû, tu m'as manipulé. Elle m'a utilisé. Depuis toutes ces années, aujourd'hui je suis fatigué. Baby n'a oh. Elle m'a utilisé depuis toutes ces années. Aujourd'hui je suis fatigué. Baby, baby, baby, baby Yeah. C'était là les titres utilisés de Limanja, notre invité du jour. Alors, Limanja, pour commencer, parlez-nous un peu de ce son. Ouais, ben, comme vous l'avez entendu, c'est un son qui fait. C'est un son de, de sentiment, tu vois. Une meuf qu'au début, on était cool, tranquille, et après, euh, j'ai compris qu'elle m'a utilisé. Si tu écoutes le son, tu as comprendre le fond et tout. Donc, c'est comme un truc pareil, quoi. Comme ça m'a fait un peu mal, j'ai un peu gardé ça il a fallu que je chante ça. Alors j'ai chanté ça, elle m'a utilisé. Euh. Donc c'est une, façon d'annoncer vos regrets. Quoi. Euh, non, de faire sortir ma colère en fait. <laughs> Euh, comme je, fais ça, alors là j'oublie vite fait, je continue dans mon chemin. D'accord. Les manjas, quelles ont été vos principales influences musicales ben, là, je dirais, il y, a, y a Michael Jackson, hein vous parlez des artistes, non Oui, oui. Il y a Eminem, vous connaissez Michael Jackson, c'est ça, non Bien sûr. Waouh lui qui touche les, trucs là dedans <laughs> oui. Voilà, Il y, a, il y a Eminem, Eminem, lui, ça va, c'est un artiste trop blandé là-bas. Lil Wayne, j'aime j'écoute. Euh, il y a moi, ben, si ça va. Hein, il y en a beaucoup, hein. il y en a beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Parce que je suis un artiste qui écoute tous toutes les genres de musique. Même les chansons oubliées, je les écoute. Là, dans la voiture, quand je viens, quand je mets en route, c'est les chansons oubliées que j'écoute tout le temps. Même les anciennes musiques. Ben oui, ça donne de l'inspiration. <laughs> Pouvez-vous nous parler de votre dernier album et de l'inspiration qui se cache derrière celui-ci Ouais, l'album là, si tu me dis de, te parler de mon album là, je te dis, est-ce que moi j'ai un, album que j'ai fait Parce que c'était en 2012, un album que j'ai fait là depuis 2012. Hein. Mm-hmm. Et après ça, je suis là, euh, jusque-là, je fais que des chansons. J'ai des, centaines de musiques qui sont là, mais jusque-là, je n'ai pas fait un concert. Je ne sais pas, les mangas, qu'est-ce qu'il lui arrive Il ne fait pas de concert depuis tous ces temps. Oh putain, je ne me comprenais plus. Mais là, ça va, je suis revenu. Donc, euh, il y aura un album, Inch'Allah, dans peu de temps. Je fais un album que je n'ai pas bon, cautionné, donc je n'ai pas d'album actuel. Et là, je suis en préparation. Donc, vous chantez Parce que, euh, parce que j'avais mes sons et tout. Il y a eu un petit problème qui était venu euh, juste avant la fête là, chez moi. Il y avait des gens qui étaient venus, bon, ils ont pris toutes mes musiques, ce qui fait que je suis revenu à zéro, j'ai plus de musiques. toutes mes centaines de musiques sont perdues. Donc ils ont pris tous mes trucs, mes portables, mes disques donc ça va, c'est perdu. Alors là, je suis revenu à zéro pour réécrire. Donc c'est là. C'est le chemin que Dieu m'a créé peut-être. Ah, là, il va falloir tout euh, reprendre. Ben oui, ben oui, oui. Des nouvelles choses. Alors, euh, Limanja, euh, dites-nous comment voyez-vous l'évolution de la scène musicale au Niger à euh, ces dernières années ben, Le Niger, tu vois, le mouvement du Niger, la musique, c'est vrai que ça fait peur, mais moi, j'ai je, toujours gardé espoir. Je me dis que avec le temps, ça va, on va devenir des, des putains de grandes millionnaires. Hein. Ben oui. À partir à les, ceux qui en ont besoin et tout et tout. Moi, j'ai confiance en fait, total Là, ça va pas, ça va pas. Quand tu vois un artiste il s'habille bien, ok, cool. Mais dis-toi que ce n'est pas que la musique qui le nourrit ici. C'est vrai, moi j'ai eu un peu la chance d'avoir quelques trucs et j'ai eu à payer une voiture dans la musique, quelque chose, je paye mon loyer, ça va, mais, mais ça, ça, paye pas là, ça paye pas. C'est pas comme l'extérieur. On est un peu dans la merde dans la musique ici au Niger. Parlant de ces sujets, est-ce que vous avez un autre métier à part la musique Ouais, je. Bon. Bah, je finis mes études euh, j'ai un master 2 en droit. je me dis que c'est un peu aussi la connexion avec la musique parce que être un avocat, quelqu'un qui défend, c'est aussi un peu la musique. Donc euh, j'ai connecté ça et j'ai fait ma musique. Là, je suis là, j'ai mis un diplôme déposé dans mon armoire. J'attends de voir ce que ma musique va faire. Sinon, après, s'il y a des gens que je dois défendre aussi, je défends. Wesh. Super. Alors, euh, dites-nous, avez-vous rencontré des difficultés dans ce métier Bien sûr. Et comment vous faites pour les surmonter ben, on reste, on réfléchit et on se dit que, Inch'Allah, tout va changer. C'est Dieu qui décide. Voilà. Parce que les difficultés, ça n'en manque jamais dans la musique. Donc, euh, on essaie de, de, se dire que ça va aller et que ça va, quoi. Ça, ça ira, Inch'Allah, avec le temps. Inch'Allah. Et ces derniers temps, ça évolue. Hein. Ça évolue la musique au Niger, ça va. Chers auditeurs, c'était là la première partie de nos échanges avec euh, Limanja. Faisons un autre tour en musique avec le son Mariam. Dakudina. Money gang, money gang, money gang, money gang, money again, again, gang. Dimanche. Nyam. ci banana in kai mama na maka in sai mata gida da mota in je shagon cala banana in sai sabon shadda sannan in sai shagon nasa saboda gayin ya tara hanya da kuɗi na in yi siyasa in sai fartin 'yan tarayya in mayar da shi makaranta dan in ba su nagarta wesh mamaki kudin na tara su daki wana gare suna adashi kenan akwai bambanci nina ba su mamaki kudin na tara su daki muna gare suna adashi kenan wash wash wash wash da kudi na da kudi na ko ta hana ne mori ne gash da kudi na everything go buy. Da na su zage ni I don't Da kuɗi na now everything is mine. Da kuɗi na in gyara kasa mai da kasa abun da zai gyara kasa Da kuɗi sha gudumi da ni da baby. In ba ta kuɗi ta kai madadi. ina daya ina dariya ina shan arke sanda in sai buri buri da biyar in kai gidansu bai bi ta da basu mamaki kudin na tara su daki muna gare suna adashi kenan akwai bambanci basu mamaki kudin na tara su daki muna gare suna adashi kenan akwai bambanci da kudi na in na in na C'était là une autre chanson de Limanja Dokudina Nchugumina. <coughs> Revenons à notre invité du jour. Alors, euh, Limanja, pouvez-vous partager une anecdote, intéressante que vous avez vécue Ouais, bah. quoi le là Vous pouvez partager avec nous une expérience amusante ou je sais pas, que vous avez vécue sur scène ou dans un studio, oui que ça soit intéressante ou amusante. Quelque chose dont vous n'allez pas, vous n'allez jamais oublier. Ouais, il y a des trucs qui sont bons, euh, des trucs qui sont mauvais aussi, mauvais aussi. Bon, je dis un truc positif. il y avait, tu sais, dans... on a fait une tournée là avec euh, certains groupes là qu'on nous a invités un temps. Et j'étais sur scène. Déjà, les gens m'appelaient, le manja sur scène, il se fatigue pas, il fait, il fait une scène de malade, et il descend tout, tout, tout. On était vers Tawa, hein, je crois. C'était une tournée. là. J'étais monté sur scène. J'ai commencé à rapper, à faire ma musique. J'ai fait un son, deux sons, trois sons. En fait, les gens se criaient. Moi, j'étais fatigué. Je me sentais. C'était comme si mon corps voulait s'arrêter de battre parce que je courais de partout. Comme Chikenja faisait. Ah, il faut respecter Chikenja parce qu'il a fait le stade, il a couru, on croyait que le gars c'était juste un petit truc là. moi quand je couru là-bas, je voulais m'arrêter. J'ai dit, hein, les gars, wallahi ba iya na gaji <laughs> ha ba lai da MD mai tela izo rigole ko pa na ce na gaji bani iya sai kai na ce in ga uban da <laughs> ga uban da za da shi <laughs> eh, en fait j'allais mourir c'est pour dire que la musique là et la scène c'est c'est un truc c'est un combat hein. il faut faire du sport ça contribue beaucoup bon là j'ai compris et je me dis que ça va ça va hein? Wesh. Alors, les manjas, comment utilisez-vous votre plateforme musicale pour aborder des problèmes sociaux ou politiques qui vous tiennent à cœur ben, euh, y a, les, petites euh, pages, qu'on a pour faire, bon, j'aime dire que quand il y a des trucs comme ça, il faut juste en parler, il faut juste en parler à, tous les fans qui sont là, tous ceux qui nous écoutent, pour avoir quelques idées de ce qu'on doit faire. Euh, c'est juste les plateformes là, c'est juste les Facebook. Justement, comment en parler quoi ben, euh, S'il y a des problèmes, euh, je me dis que bah, c'est ça, on, expose un, un problème. Moi, j'expose un problème sur, sur ma page et je dis à tous ceux qui sont là, à tous mes fans, que là, je suis dans un problème, qu'est-ce qu'il faut faire Et je, je lis les commentaires je vois quelques commentaires qui s'en vont, qui m'arrangent un peu, sinon euh, ça va. Hein. tiens, je me dis c'est comme ça. C'est peut-être que je n'ai pas compris la, question, mais je réponds comme ça en parlant de ça, de votre point de vue, comment vous voyez votre musique évoluer avec le temps ah, Positivement. Positivement. Parce que là, on avance, il y a un changement qui est en train de se faire. Et on espère que vraiment les gens vont aimés vont, nous accompagner parce que là, on a besoin de soutien des gens qui peuvent eh, nous accompagner dans la musique, des productions, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun artiste qui est produit. Il n'y a aucun des artistes parce qu'on se débrouille nous seulement. Mais si tu pars un peu ailleurs, vers Nigeria, vers euh, Côte d'Ivoire, dès que quelqu'un est là, il s'élève, ils vont le soutien, Même entre nous, les artistes, en fait, si quelqu'un sort un peu, on ne se soutient pas comme ça. Il faut que ça, là, ça change la mentalité. Tout, tout est en train de changer. Il faut que nous-mêmes, les artistes, qu'on se serre les coudes, qu'on se tienne debout, qu'on se dise qu'il faut qu'on gagne. C'est le moment du Niger. Ce temps-là, c'est le Niger qui va tout gérer. Inch'Allah. Et le monde va voir. Alors, euh, parlez-nous de vos projets futurs. Ben oui, c'est faire des tournées, hein, parce que là, il y a quelques appels que j'ai reçus quelques temps là qui m'ont dit qu'ils veulent travailler avec moi, euh, quelques producteurs. Donc on va voir. Hein. Après ça, je, reviens sur mes pages et annoncer. Parce que là, je vais faire un, putain de grand retour, le monde. featuring en, En vue, ouais, bien sûr, bien sûr. On est euh, des artistes. Je vais faire quelques voyages, aller un peu à l'extérieur, voir quel artiste faire. Parce qu'un un featuring, c'est un intérêt. Il a des, moi, je suis là, je peux t'apporter quelque chose. Toi aussi, tu m'apportes quelque chose. Mm-hmm. C'est comme ça. Je vais faire des voyages. Ici aussi, il y aura quelques featuring, Inch'Allah. Les comment vous choisissez les thèmes de vos chansons Ben oui, ça, ça, ça c'est autre chose. Hein, parce que jamais choisi un, un thème là avant de, de finir la musique. Je, genre, je j'écoute un son, un beat, et des idées viennent, je fais le refrain, les couplets et tout. Et après, quand je finis, je me dis, bon, là, qu'est-ce que je veux mettre et là, je vois de quoi ça parle et je mets le, le, thème. Mais sinon, si aussi il y a un sujet direct que quelqu'un me dit, va faire ensemble sur ce sujet-là, ok. Mais si c'est moi, j'ai jamais mis de thème avant de finir le son. D'accord. Alors, un mot à l'endroit des jeunes qui veulent se lancer dans la musique, le major Oui, euh, j'encourage tout, tout, le monde, hein, tous ceux qui veulent faire la musique. Il faut juste qu'ils viennent, qu'ils fassent un bon truc. Et nous, on est là, on va soutenir ce qu'on peut, on va faire, à ce qu'on peut faire. La musique, elle est là, elle est ouverte, c'est une grande famille qui est là, on accueille tout le monde. C'est si facile d'y accéder ou bien Ouais, quand tu es bon, quand tu as un talent, c'est facile. Quand tu n'as pas de talent, tu es dans la merde, tu ne peux pas accéder. C'est comme ça, c'est comme, comme toute chose. Hein. Tu sais faire, tu, tu, tu, fais un bon truc, on t'acclame, tu sais pas faire. On te dit, ouais je dégage, man. Il faut un nouveau pour ça ou bien Un nouveau quoi D'études quoi. Il faut, Il faut un niveau d'études. Non, non, non, non, non, non. Aucun niveau d'études. Si tu veux, tu es là, tu n'as jamais fait d'études. Tu as ta langue. Moi, je me dis que les études, dans... ça va. Hein. Moi, je me dis que quand les études, ça ouvre un peu l'esprit, mais quel que soit le travail, moi, imagine que je suis là, j'ai aucun boulot, j'ai jamais fait d'études. Quel que soit le travail, mais la personne, tu vas voir, en un mois, la personne va apprendre. Ça, c'est comme ça. Donc, euh, si tu as ta langue, que tu sois Peul, Hausa, Touareg, Zarma, la musique, c'est comme ça, elle est universelle. C'est juste quand c'est bon, c'est bon. Donc, c'est comme ça, il faut pas. Bon, les études, ça contribue, mais même quand, sans études, il y a des artistes qui font que du Hausa. Mhm. Et ils sont OK. Donc, il suffit juste d'avoir la passion. Voilà, et d'avoir un talent de savoir ce qu'on veut faire. Avant de vous dire au revoir, pour ceux qui viennent de nous suivre, qui nous suivent actuellement, vous pouvez faire un petit acapella pour nos auditeurs qui viennent de nous capter. Ouais, bah, c'est vrai, hein, toi là, quand je suis rentré, dès que je t'ai vu, je. Ben oui, si tu veux, je. Ça va quoi. Donc je te fais un d'accord. <laughs> Ou bien on change Oui, bien sûr, on veut. Dès que je t'ai vu, chérie, j'ai senti la connexion se connecter Donne-moi ton nom, ton numéro, ce soir je passerai pour te chercher. Bah Kirki, bébé. Bamouda Kirki, Nati. Zameke Aiki, baby. Jedadi j'ai retrouvé ma moitié. Toi et moi ce soir, on va tout gâter. J'étais donné ma moitié. On on continue, on s'arrête tout de Wesh, <laughs> Merci Limania d'être passé au studio Kalangu. Vraiment, merci. On vous souhaite de passer une très belle journée. Merci, excellente journée. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est l'ère de la rubrique hebdomadaire à santé de l'émission Le Niger sur Kalangou. Dit Habiba de quoi parle-t-elle aujourd'hui Mariam, dans la rubrique d'aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est le bégaiement. En effet, il existe plusieurs types de bégaiement. Selon le médecin généraliste Abdelrazak Isaka, le bégaiement n'est pas une maladie, c'est juste un défaut d'élocution causé par plusieurs facteurs. Il est interrogé par euh, toi, Habiba Ahmed. Bien sûr. Docteur, qu'est-ce que le bégaiement et comment il se manifeste Le bégaiement, par définition, c'est un défaut d'élocution. Donc, il est caractérisé par une difficulté à prononcer ou à enchaîner certaines syllabes. Donc sans que eh, les organes de la phonation ne soient atteints. Ça n'a rien à voir avec une atteinte des organes de la phonation. Donc le bégaiement empêche la parole d'être fluente. Donc euh, la personne ne peut pas entretenir une euh, discussion à une vitesse normale. Euh, il y a une vitesse normale de la, de la parole qui est de l'ordre de 90 mots par minute. Donc une personne atteinte du bégaiement ne pourra pas respecter cette vitesse. Ce défaut de locution est un trouble de la communication. Donc il se manifeste en général lorsque la personne doit parler devant un public, seul ou se sentant seul. donc le bégaiement disparaît si la personne murmure, chante ou imite un accent. Donc il est à noter que chez certaines personnes, le bégaiement disparaît lorsque les, ces personnes parlent une langue différente. Il y en a qui, qui quand ils parlent le français, eh, alors qu'ils ne bégayent pas quand ils parlent le vernaculaire. À quelle période de la vie il apparaît en général, c'est entre l'âge de 2 à 4 ans ou bien à l'âge adulte suite à un traumatisme. Donc il faut noter que le bégaiement peut être héréditaire ou, être dû à une défaillance du système nerveux, un manque de confiance en soi, une attitude de la mère ou bien peut-être une conséquence d'un choc physique ou émotionnel. Il y a aussi des facteurs qui peuvent aggraver ce bégaiement, qui peuvent être la peur, la gêne, donc c'est des facteurs psychologiques, l'appréhension de prononcer certains mots où la prononciation de ces mots peuvent s'avérer lourde, en guillemets, ou la, peur même de bégayer en soi peut entraîner le bégaiement. Quels sont les symptômes du bégaiement Le bégaiement se manifeste à deux niveaux. Au niveau de la langue d'abord, prolongation de son ou répétition de mots alibis comme E, c'est-à-dire en tout cas, ou bien au niveau du visage, crispation des muscles du visage, des extrémités ou du corps tout entier. Nous avons des grimaces, une respiration qui est irrégulière, voire modifiée, et aussi le timbre de la voix qui, peut changer. Quels sont les différents types de bégaiement Il y a quatre types de bégaiement. Il y a ce qu'on appelle le, le bégaiement tonique, il y a ce qu'on appelle le bégaiement clonique, il y a le bégaiement tonico-clonique, donc il y a aussi le bégaiement tonique et clonique, et la quatrième forme de bégaiement qui est le bégaiement par inhibition. Donc nous allons essayer de détailler les différentes formes de bégaiement. D'abord le bégaiement tonique, donc il se manifeste par une impossibilité d'émettre certaines syllabes, soit les premières syllabes du mot, le plus souvent c'est les premières syllabes des mots. Le bégaiement clonique, c'est une répétition en chaîne d'une même syllabe ou d'un même son, par exemple p, pour, euh, pour prononcer papa. et à ce qu'on appelle le, le bégaiement tonico-clonique. Donc là, c'est une succession de blocages et de répétitions incontrôlables. Enfin, il y a le bégaiement par inhibition. Dans la personne s'immobilise physiquement et temporairement, elle ne peut parler normalement qu'après avoir prononcé la phrase. Comment prendre en charge cette maladie C'est une rééducation eh, qui doit être faite. Donc plusieurs thérapies sont proposées pour éduquer un enfant ou une personne qui bègue. Mais deux approches eh, dominent. Donc c'est tout d'abord la première c'est la rééducation orthophonique et l'autre c'est une approche psychologique. Donc les deux mêmes doivent être associés. Donc euh, l'approche psychologique doit être menée par un psychologue ou un psychanalyste ou un psychiatre même si le bégaiement est lié à un trouble profond. Donc certaines thérapies douces peuvent également être envisagées, entre autres les, programmations neurolinguistiques donc, qui sont possibles dans certains pays développés. Il y a aussi l'approche rééducative. Donc les troubles de la parole et de la communication sont pris en charge par les orthophonistes. Donc euh, il faut noter que ces troubles pourront être traités de différentes façons la facilité de la prise en charge dépend du stade du bégaiement. Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique hebdomadaire santé. À présent, écoutons la fusion harmonieuse entre Nana, représentante émérite de la nouvelle génération, et Timmy Bionia, véritable icône de la vieille école musicale. exceptionnelle dans le paysage musical du Niger. Ensemble, elles tissent une toile sonore qui célèbre la diversité et l'évolution de la musique traditionnelle moderne nigérienne. Un véritable chauffe dœuvre musical qui résonne à travers les ondes, marquant une étape mémorable dans l'histoire de la musique nigérienne. musicale, Habiba, passe à l'écho des régions qui nous amène à Difa pour parler de l'encens, un produit apprécié utilisé par les femmes Kanuri. Vous savez, c'est un ingrédient précieux pour la femme. Mariama Wankaila, une femme âgée, connaît les secrets de ces produits. Elle prépare et commercialise. Pour elle, c'est une activité génératrice de revenus qui lui permet de joindre les deux bouts. Écoutons-la dans cet entretien réalisé par Mena Abdullahi muna sana'an turaren wuta da turaren ruwa. Kaman wani karin bayani zaki bana bisa kan abin da ya shahi turaren wuta din nau'i nawa ne? To turaren wuta dai ya kai kala biyar ma. Akwai turaren abba akwai kirikiri, akwai turaren bangi, kuma kannan akwai buhari, akwai santal bangi. To ya kuke sarrafa waɗannan turare ne da kika yi bayani? Turaren wuta dai in ana sarrafa shi kan akwai kayayyaki da yawa. Sai an tai an turaren ruwa na haɗi mai ƙarfi, sai an siyo na jiko, sai an koma an kirami da sandal sai a hada su sai a so dan suga kadan haka sai a dafa in an dawa shi kenan sai a zo a zo a soya shi da wannan sukarin sannan a sa mishi su musu su turaren nan na ruwa mai karfi da na ji kwannan duka a kuda da su kirikirin gaba daya to kamar su kuma bangaren humra ya kuke yi ne to humra shi ma ana sayan turaren abiba wannan ko irin wani kala haka dai mai sanyi turare mai sanyi haka to sai a so a so sandal a so kirami da su gurumbal wasu suna sa gurumbal da su alkama ma wasu suna sa in kaman kulaccen ne amma in shi na ruwan nan ne haka sai a sayi sandal da kirami rani da musu to sai a haɗa su sai a haɗa a yi turaren humra. Sukin kala nawa ne bangaren humran da ke da zikin yi zancen akwai mai madara akwai waye. Shi mai madara farin ruwa ake saya. sai a sayi lobiliya shi kuma sai a haɗa su ana kaɗa su ana kaɗa su ana kaɗa su ana buga da bido ga ma bidon can da muke buga shi sai yayin ya yi fari fat ya haɗu ya zama kaman madara to sai a juye shi shi mai madaran haka ne kaman ya farashin su yake ne abubuwan yaya kuke saida su gaskiya farashin mai madara lobiliyan ma kaɗai da ɗari uku muke saya ɗari uku da hamsin ya zan ɗari bakwai ɗari bakwai ma yanzu dubu suke ca shi lobiliyan kaɗai ma to kan nan farin ruwan muna sayan shi ɗari uku uku yanzu ca suke ɗari biyar biyar to in an haɗa su ka gani su ma kuɗi ne da yawa ko yana da tsada turaren wutan in kamar muna jin kumiyan mutum muna ɗan ragewa muna da mishi da farashi mai sauƙi. to kamar yanzu wani alfanu kika samu a cikin wannan sana'a ta sai da turaren wuta da kuma turaren ruwa. gaskiya alhamdulillahi abdullahi muna samu ko yanzu ka buga turaren wutan nan kana taya kana samun riba a cikin shi duk yanda yake dai Za ka samu karuwa a ciki sai dai rishin karhi sosai yana taimaka mana sosai tsaya bisa kanmu muna adashen mu haka muna ɗauka muna ruwa mu kanmu asiri to kamar yanzu menene matsaloli matsaloli kan yanzu abdullahi sai dai a ce babu karhi ba jari yanzu dai kaga ka ci a ciki ka sha a ciki ka dan zuba yan adashen ka shine dai amma ba mu da matsalar wani abin ga sai dai matsalar rishin karhi kawai na jari menene shawarwarin ki ga sauran mata yan ki? misali waɗanda suke zamne suna jira ko miji ya kawo ko kuma wani abu haka kai wannan yayin da ne yanzu ko wace mace da kake gani a tsaye take bisa kafarta ko da shara da wanke-wanke ne mata yanzu sun bar maza ba su jira maza su ba su ta kake ka ta ka nemo ka kawo in ya kawo to in bai kawo ba sai ku taru ku ruha makai asiri yanzu shi haka ne zaman namu Merci Mena Abdoulaye depuis DIFA et coucou à tous nos auditeurs qui nous suivent sur cette émission à travers la radio alternative et Infani. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, c'est le moment du sport dans votre émission préférée, les Niger sur Kalangou. Salamatou Kadri est dans ses studios pour un point sur les chances du Ménakadé engagé dans le tournoi Ifoabé à Accra. Alors, à on te souhaite la bienvenue. Merci les filles, bonjour. bonjour. Merci à vous, chers auditeurs. Sachez qu'après une victoire lors de son premier match contre le Togo, 3 buts à 2 et une défaite 0 buts à 1, Concédé avant-hier face au Nigeria, le Niger reste dans la course pour la qualification aux demi-finales du tournoi. Troisième de la poule B avec trois points derrière le Burkina Faso et le Nigeria avec quatre points chacun. Le MENA i 17 cherchera sa qualification face aux étalons i 17 qu'ils affronteront demain mercredi 22 mai. Au même moment, les, Golden Eagles du Nigeria affronteront les éperviers I-17 du Togo qui sont déjà éliminés du tournoi après deux défaites. Ainsi, le MENA I-17 jouera une finale contre les étalons U17 qu'il doit impérativement battre pour assurer sa qualification. Tout autre résultat qui n'est pas la victoire hypothèque pratiquement les chances de qualification des poulains de Mohamed Bashiroudi, coach Arizona. Ce dernier, conscient de la tâche qui attend ses joueurs, a reconnu lors de la conférence de presse d'avant-match les erreurs et le manque de réalisme de son attaque devant le but, devant le but adverse après une multitude une multitude d'occasions ratées. Arizona a également affirmé qu'ils joueront leur troisième match de poule B comme une finale et une finale, on la joue pour la gagner. Chers auditeurs, c'est sur ce point dédié à la campagne du MENA que prend fin cette page e-sport. Bye bye. Bye bye. Merci Salamoutou pour toute euh, cette information e-sportive. Dit Habibaki l'étoile euh, du jour il est né en 1978 à Setori, un village situé dans la commune rurale de Butinko du département du Kolo. Marié, Boubé Mamoudou est réparateur dont sa spécialité est la réparation de motopompes. Un métier qu'il a appris dès son enfance avec son patron après quelques années d'exode dans les pays côtiers, il est revenu continuer la mécanique. Aujourd'hui, il a ouvert son propre atelier dans son village natal et il arrive à joindre le debout. Notre reporter Omar Hama est parti à sa rencontre. Voici son portrait. imo joɗi dow bamuwa lembelu mangoye kilejino e jungo makko to fitti moto pompe buɓe mamudu o ni yiɗana moƴƴinde moto pompe gonnoɗo no yarna ko boni o do ni gollal ngal ñeñi leymu no kam woni moƴƴinol moto pompe uji buɓe ekkitakina gollal ngal illaymo wodi duuɓi sappo e jeetati gaɗa ɓi leydi burkina biyeteɗo ali gormad wallay gollal ani woni mécanique mi artorino yamma mais mécanique on arti ka mécanique o gonno mi waɗa après mécanique on dillu mi jaha mi yamma gaɗo mi 20 ans de voyage gartumi fayi mi yeggita e mécanique kam miɗo jogui miɗo ñama e normal groupe électrique noon moto pompe noon kan yimɓe ɗo gonno gollira sanne min joɗake miɗen pondita groupe électrique groupe électrique fa hande seni no woni e jungo an ɗo mi waɗan ɗum yeeso ma gi'ana hoore ma ke kambu mbo gollal an amma hunde ko on gollira kanƴum ni jogotoɗa sembe kañum gaddata sembe e muɗum mécanique on ɗum fuɗɗanamo gaɗa gourmanke go mi na nafaji kewɗi e mécanique ngam min ka hannde to gon miɗon wala kali on le mécanique on mi fisbirla miɗo waɗa komide de komi hunde fuu miɗo waɗana hoore am miɗo ñaama miɗo ñamna gaɗa miɗo holta miɗo holtina gaɗa nder gollal makko kanko buuɓe caɗale ɗe o woni hawrude e mum kam raffi bawɗe ko sodata jamɗe ko wayliranta nimɓe moto pompiji muɗum amma ba ko nonda emo heɓa humtande waroɓe moƴƴinde to ko muraduji muɗum wallahi caɗalɗe min gommiɗen giya ni sa a wala bawɗe a sotta piyesuji mekani seddu fuu no hani tawre bawɗe piyesuji ma a sodoyta to goɗɗo ngam goɗɗo a fontanan ɗum mbiyan wala tawa du sodoye guineji gattana ɗum bande a heɓay e ponditol maɗa e guineji maɗi a heɓata seɗɗa seɗɗa no nafete caɗirma amin ni woni harka piyesuji si neɗɗo no woodi piyesuji fuu wallahi caɗirma fo wala e gollal ngal hakika du e ngal ɓeydan neɗɗo amma si tawama a sodan to goɗɗo ko gaɗa noon walla ɓeydatako tan jomum wari ceede mum wara daro yeso ma wiya wallahi moyni mi yahi to gattumi ceɗɗe ɗi soodi piyesu ɗin da a fonditay du fayidan kanka e nafaki ni noon mais an ka a nafata ko an pontiɗo bourahima duuɓi mum ni waɗi no moƴƴina moto pompi muɗum to o buube o wi imo welti sanne yeru no buube waɗirta gollal muɗum wallahi buube golle muɗum wala fo baasi buube ɓooyi miɗo fondita to muɗum mais wakkatire mum ñeme artuno miɗo yahanno jiitum buube warde jon wala miɗo yaha ñeme kaden wallahi gollal makko no famtini no wawi gollal makko kokkuɗamo o jaɓa nda hokkay mudu o jaɓa hata jango nde mbiɗama o wara o wara yerno buuɓe famminiri ngal gollal no hunde noon gattonal niɗɗo ceede e maggal duni o woni mo jogori ɓaade makko ekkintinde sukaɓe ummatore hewɓe nder wuro makko settore ley commune mo bitinkoji Merci Omar Hamma pour ce portrait. Chers auditeurs, bouclons notre playlist avec les titres bégués de Fenobi et Rabia Mekano. begeze begeze kemino hanganga fundi begambi begase begeze kemino hanganga bidanganami bejaka bejane kemi bejani he kemi fahani beja boko boko femin bina aine ai makanami begeze begeze kemino hanganga fundi begambi begase begeze naiga beri doso kwara no dino inai biri aiga fongu zankai dona yayi kurba kurba iga rengwa da faibi bai fongiga aiga beje aiga furo la sabu kan sibana aiga te mari ti foi lami di sima foi chapata ko foi lami igdan jara Daidai lubbatu, ina kasum da gari kamaji. Irga wakale kambe yika ege kambe logo amala Osman. Irga koi fari dungu goi kayan wala jirmai kayan kai zan ka tarai beje. Igik subui ga ka kanera ka tu hankan te hina hina jinra. dai fongu igzan kata araiga aiga fongu kanzan kata arai bege ai koi kagu kwalo zinya bonkan ganda motu Kay mundi dowu

sawa yau ga shawa gaba da shawa alado mutai babu kamar su kai yara a a don aladunmu ko bar gida gida ya bar shi ban gaska ubar bai mota Maître Boudal, l'avocat des causes citoyennes, Mané gay de Phénobie et Rabia Mekano. Habiba il faut savoir à qui confier ses enfants. Voici les thèmes abordés par les femmes du studio Kalangu dans les lotis de ce matin. Oui, Mariam, car il y a certaines nounous, parfois elles peuvent être méchantes et agressives envers les enfants. C'est donc aux mamans de faire très attention. On écoute Samira Rouafi, Fanta Chamsou et Mamada. hey sanya wannan kokon yanzu zan tsura miki shi kuma kika kare mini amai sai na gabza miki mari liƙe mini bakin ki maza hmm, dama je ina zaman zamana ina zaman zamana ki tashi ki kai kashi cikin wando yanzu zan liƙe ki cikin ɗaki aikin sani sarai ko kin sani sarai me nake ji ne haka kike galla zama diyata an bani nan ya ganya ai wata tara kikina da hankali kuwa wai madam wallahi tanti mm, mm. tanti haka nan bane tanti ba haka nan bane ba Zainabu haka kike galla zama diyata in bani nan godiya da zaki min kenan bayan duk abin da na miki bola yarinya nan baki da hankali tanti wallahi yau kadai ne yau kadai ne ki hakuri tanti yau sharrin shedan ne yau kadai wallahi baki san girma ba amma na ji kin ce jiya hada like ta ciki cikin daki wai kin raina ni ne ni ko menene Zainabu tanti da Allah yi hakuri yi hakuri tanti kici Allah da kika ga ta mini yarinya dan shi ne wata in na wuto daga wurin aiki sun iske yarinya duk ta bi ta rikice ta shige cin juna ko ko duk ta ya gogwalje ko idanu sun yi ja amma kullun sai ke samu ƙarya da kin mini ko ta faɗi ko wani abu ya same ta ni kuma sai in yarda amma dibo tattara naki ya naki ban so in bude ido in gane ki kuma cikin wannan <laughs> gida na wa. ai haka ba wallahi ba zan tsakiya ba sharrin dan ne. Ki saki mini kawawu. Ki saki mini kawawu wallahi ka in tura ki sanadiya in yi wani abin da za a kwashe ki a kai gidan likita. <laughs> Subhanallahi madam muke farawa tun da koha ana ta jin ku. Makwabci yarinyar nan macijiya ce macijiya da kuke ji ana hodi ita ce dibowa da ta rikita mini yarinya. Ta rikita yarinya to me ya faru? na zo na iske ta tana ba ta kashi kuma har nake jin tana cewa ai jiya sanda na tai wurin aiki da yarinya ta yi kashi liƙe ta ta yi cikin ɗaki ta yi kashi cikin wando kuma tabbata da shi sai da tabbata ɗan karan kashi dan Allah ana iya ma jariri da bai san komai ba wanga abun <laughs> inna lillahi wa la'i raji'un a wanga abu da ta yi ai muni ke me kike jira nake ta daga cikin gidana ba ni so in ga huska ki nace <laughs> Ki hakuri ba zan sake ba tanti ba zan sake ba. <laughs> In baki ɓace mini daga gani ba wallahi Allah zaki buɗe ido ki iske kanki gidan likita. Jam ha diba diba ku yi hakuri madam kwantar da hankalinki. To ke ya an ka wannan abu. Sharrin ah. shanan. <laughs> Haba amma makwabciya bai kamata ki yanke makanki hukunci ba yanzu abin da ya kamata idan ta yi shari'a ce za ta raba ku. Shari'a inna lillahi da Allah ba san ruhe min bakin nan naki ki bace min daga gani ki bace min daga gidana ba ni so in ƙara ganin <laughs> ƙubahuwan gana ki a gidan nan nawa. Wallahi tanti idan kika kore ni babu inda za ni ƙauyen mu nesa ne da shi kuma ba za a ci da na a can ba. Oh kin san da wannan duka ne ki yi wannan abun a shan. na buɗe miki ƙohohin gidana na ɗauke ki kamar yadda na aiwa ga ciki na <laughs> amma yanzu da kika wanke haka ne godiya da zaki mini kenan kai cala mama ku mata wallahi kuna bani mamaki ya za ku barin gidanku ga wanda ba ku sani ba ha kuma da ɗayan naku kai wani abu sai ku dai mata wallahi makwabci wata abukiya ta ce ta ka mini ita ta ce mini tsohuwa ya aiki makwabci ta ne sai na aza ko mutum ne ya kirki gaskiya sai ku yi hattara ku bar barin gidajenku ga mutanen da ba ku sani ba ga yanzu abin da ya faru ko gaskiya yanzu di ba ki gani in wani abu ya faru kin san iyayenta ban walla san su ba wallahi makwabci kana da gaskiya amma ka san yan uwan nawa ne daga wanda da da ke zuwa lakwal sai wanda ke aiki babu wanda da dama rike mini yaro dan shi ne wai na doke ta amma daga yanzu zan san cikin hannun wa zan barin dana to haka din ya dai Ke, kina nan har yanzu kenan ko? Da Allah ki ba ni dama ta karshe ba zan sake ba na ce. Ba Allah ya nan ba san kunya ba ki samu karhin wai bani hankuri. Ni zan bari kuma ki rayu cikin gidana. <laughs> Dibo, tattara naki ya naki, ki hita da kai, riya ma zan kaita. Yanzu. A'a, a'a madam, ya eh, hakuri. Kake zancen ki kaita gidan kaso. Lalle kuskure ne ta yi shi. Kuma na san ta yi nadama. ku bar ni dai in kai ta kwamsiriya ba za ta ƙara bugun wani yaro ba. Tantu <laughs> wallahi ba zan sake ba na yi nadama ki hakuri kuma ni ke ɗaukan ɗawainiyar inna da abba da ɗan albashi na idan kika kura na kasowa zai kula da su ki hakuri anti ki hakuri. Madan hmm. madam kuyi hakuri tun da ta kin ga ta yi nadama kuyi hakuri ko duk ma iyayenta ba ita ba to shikenan makwabci albarkacinka da albarkacin iyayenta zan bari ta tahiyarta amma in ba da haka nan ba da wallahi yau a kurkuku za ta kwana ba za ta aiki gidana ba kawai ta tattara ta ta bar mini gida. Madan ku da ku hakuri ta yi nadama kina jinta ta yi nadama tana ta kuka baiwa Allah. Ke zo dauke wannan kaya naki. <laughs> zo ke yi mazan Allah ki ta kayan ki zo iyata zo iyata ba kuka shikenan albarka auditeurs, c'était le loti des Desk femmes du studio Kalango. À présent, écoutons ensemble l'explication du mot de la semaine biodiversité à langue Hausa avec Asumana China. Bonjour Shina. Bonjour euh, Habiba, bonjour euh, Mariam. Bonjour Shina. Évidemment, donc euh, c'est le moment tant attendu, si je peux le dire ainsi, des mots du jour, donc culture linguistique aujourd'hui, biodiversité, Amani de Hausa jama'a masu sauraro barkanmu da sake haduwa cikin wannan shiri inda muke kawo muku da ma'anar kalmomi yau mun zo muku ne da kalmar biodiversity da faransanci wannan kalmar da hausa tana nuhin lokacin halittu musamman itatuwa ko tsirai na dabbobi da ke rayuwa a doron ƙasa to kuma mun kawo muku wannan batu ne domin ranar 22 ga watan wato gobe ita ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tunawa da mahimmancin waɗannan halittu daban-daban na kan doron ƙasa da ake kira biodiversity a jimilce da faransanci to su waɗannan itatuwa da dabbobi suna da mahimmanci sosai ga rayuwar ɗan adam ko kuma in ce akwai alaƙa sosai tsakanin su da ɗan adam ana ma iya cewa in ba da su waɗannan itatuwa da dabbobin ba ɗan adam ba zai rayu ba ta hanyar su ne mutane ke samun abinci ga misalin barkatai wato kamar hatsi dawa masara da wake da sauransu da ake numawa daga cikinsu ne wato waɗannan tsiran ne mutane ke samun abinci itatuwan da ke akwai a cikin muhalli kuma su ne ke ba mu yanayi mai kyau na rayuwa mutane na shan inuwar waɗannan itatuwa sannan kuma suna cin 'ya'yansu wato waɗannan itatuwa domin su gina jiki sannan bugu da ƙari da waɗannan itatuwa ne ake sarrafa magunguna don warkar da cututtuka idan muka ɗauki dabbobin daji kuma mutane na cin namansu suna amfani da su don samun magunguna sannan ta wani bangare suna samar da kudaden shiga ta fannin yawon bude ido muna iya ɗaukar misalin rakuman daji na kure dajin kure mutane na zuwa su yi yawon bude ido su gansu kahin su shiga su gan sai sun ba da kuɗi kenan dai kuɗaɗe ake samu akwai kuma misali farka dubulbe akwai babban daji dai kamar suriya saboda garbe mun ka da sauransu kenan dai wannan suna daga cikin amfanin waɗannan itatuwa da kuma wato dabbobi na daji kenan to sai dai kuma a shekarun baya bayan nan waɗannan halittu suna fuskantar ah, matsaloli wasu ma suna ɓacewa a sakamakon sauyin yanayi da kuma wasu ayyukan da adam ke yi suna sa waɗannan dabbobi ko itatuwa suna bacewa ga daga wasu muhallai yanki zuwa yanki alhali kuma kamata yi a ce dai an tattalin su domin wato rayuwar mutane ta dogara ne ga waɗannan itatuwan ga misali kaɗan daga ma'anar wannan kalmar ta biodiversity da ake iya cewa halittu daban-daban da suka kumshi itatuwa da kuma dabbobi da ke rayuwa a doron ƙasa to asmanu shi na mun gode mun gode sai mun gode Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je répète encore 82 89 89 64. Et justement, écoutons ensemble vos messages. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Sunana Nakaranta, ina sauraron ta sosai da sosai amma na yi karfi bisa ga information eh labaru hakan ga wani suke bada tunda kana nan mai sai ka samu labarin di fa sai ka samu labarin tilaberi sai ka samu labarin agadez ko ina dai suna tabawa wannan abu shine nake alfarmashi gaskiya ina jin daɗin sauraron kalangu tunda abubuwa dama za ka ji wanda ba wajen ku bane amma za ka kula da shi haka ji daɗi kai ma kun bancin wannan naji suna emission da yawa ba harshe ɗaya ba kenan sai in ce wannan Allah saka musu alheri mutane da yawa kasana wayewa albarkacin kalangu. To suna na malama sa'ara abdu nema abuciyar sauraron shi da kyau ma eh, saboda tun daga wajen karhe biyar nan zuwa karhe bakwai labarin da suke bada na yammacin rana gaskiya bayan su akwai wannan shiri da suke yi na fannin matasa wannan fannin zamantakewa rayuwa hakan gadai gaskiya wannan yana ƙayatar da mutane da kyawu bayani bisa kan wani sasarari wani matasa su bar zaman banza kowa ya tashi dogara da kan shi shirye-shiryen su gaskiya yana yi mutane na sauraren su da kyawu wannan labaru da suke ba da gaskiya Allah alhamdulillah shirye-shiryen da suke gabatarwa shirye-shirye ne masu Muhimmanci abin da na ce suna da eh, muhimmanci kamar shirye-shiryen da abubuwan da suka shahi mutanen mu karkara da kuma abubuwan da suka shahi abin da yake nesa gare mu dai abin da yake cikin ƙasa dai in takaice abin da gaskiya studio kalangu babu abubuwan da ba su tabawa abin da ya shahi dai al'amura na rayuwar mu ta yau da kullum abin da nake kallo kamar studio kalangu lalle an ba su lokaci amma ganin nake lokacin nasu yana da kaman kaɗan eh, inda so samu ne a samu lokaci dai wanda kamar da daddare in suna yin a shirye-shirye na dare. Ni ne Ali Tayar. Kwarai muna sauraron shirin na studio Kalangu saboda shiri ne mai matakan mahimmanci. Eh, shiri ne wanda ke waye mai 'yan ƙasa kai manya da matasa. Wannan shiri muna alfahari da shi ma'abuta sauraron shi ne. shi dai daga ciki ba labaran nan saboda shi labari shi ne ke kaiwa ko'ina Eh, abin da ba ka da masaniya kan shi sai ka samu labarin shi. Sunana nana ina sauraron studio Kalangu ina sauraron labarai kala-kala amma wajen labarin yaran nan ka yaran matasa da ke ta hadigan nan ana wayi kai kwarai-kwarai ma ana jan hankalin su. Sunana mai na are gidan Alu ni ma abucin sauraron studio Kalangu ne tun da bi sabilillahi sai dai ko in ba ni gida kurin. kuma akwai abubuwa da yawa waɗanda nake karuwa ciki. Ko shirin studio Kalangu kai in zana maka fa zani fa ba Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Ici prend fin cette émission de ce mardi 21 mai 2024. Vous étiez en compagnie de Maria et Habiba Ahmed. L'édition a été assurée par Fanta Shamsou et la technique par Mustafa Ayouba. Si vous voulez réécouter cette émission, allez-y sur notre site web www.studiokalangu.org ou sur la page Facebook du Studio Kalangu. Passez une excellente journée. Bye bye.